le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du du 18h passé de 15 minutes en Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. L'actualité cette semaine est marquée par la recrudescence des attaques armées contre des civils et des forces de sécurité à Berninkoni dans la région de Tawa, Chetimari Wangu ou dans la région de Difa et Dingazi Banda dans la région de Tilaberi. L'actualité, c'est aussi la cérémonie de L'installation lundi à Niamey des députés de la cinquième e législature euh, du Parlement euh, communautaire des 15 pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO. L'actualité sur le plan sanitaire reste largement dominée par la maladie du coronavirus. Pour analyser cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukara de la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir et Dandoua, journaliste freelance. Roufaï Dandoua, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue dans le forum de la presse euh, de ce vendredi que nous ouvrons par la recrudescence des attaques armées contre des civils et des forces de sécurité au Niger. Ainsi, huit militaires nigériens tués, dont le commandant de la base, euh, huit blessés et trois portés disparus, c'est le bilan officiel de l'attaque terroriste du camp militaire de Chetimari Wongu, situé à 25 km de Difa à l'extrême sud-est, près de la frontière du Nigeria. Dimanche passé, vers 21h30, des bandits armés ont mené une attaque au marché de Birninkoni, plus précisément au quartier de Mouneyer. Suite à cet incident, on dénombre un mort et des blessés. La commune rurale de Dingazibanda, région de Tilaberi, a été victime d'une attaque armée lundi. Cette attaque s'est soldée malheureusement par la mort du fils aîné du feu général Ali Seibou, ancien président de la Deuxième République euh, du Niger, Hassan Boukar. Avez-vous euh, d'autres informations sur euh, ces différents événements douloureux Merci beaucoup, Mokhtar. beaucoup d'informations à circuler sur ces attaques, notamment sur les, réseaux sociaux. ces, ces, informations confirment ce que vous venez de dire déjà, notamment le nombre de morts à Chetimawango, dans la région de Difa, ou l'attaque de Kwani. Euh, pour le cas de Kony, c'est peut-être euh, quelque chose qui ressemble au banditisme, puisque apparemment, de par la cible des, assaillants, on peut imaginer que c'est des gens qui sont venus s'emparer peut-être de l'argent qui est utilisé par ces, personnes à Kony. Euh, je cru comprendre que, qu'il y a au moins des personnes qui ont été appréhendées par la police parmi les, les assaillants. Euh, alors pour le cas de DIFA, <coughs> ça ressemble plutôt à ce qui se passe déjà depuis plusieurs années dans la, dans la région. Les attaques frontales. Voilà, voilà c'est des choses qui se passent. Euh, euh, dans cette zone, malheureusement, depuis 2015, j'allais dire, où des groupes armés apparemment bien informés qui viennent dans des camps, ils sèment la mort, déstabilisent les FDS qui sont sur les lieux et ils s'emparent de matériel. Selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Euh, si ces vidéos étaient authentiques, on pourrait voir déjà <clears throat> ces groupes qui sont venus répartir avec du matériel euh, de ces camps qu'ils ont saccagé par la suite hein, avant de, avant de s'en aller. Ça montre malheureusement que dans la région de Difa, même si à un moment on a pensé à une relative accalmie pendant quelques semaines, peut-être voire des mois, il n'y avait pas des attaques d'envergure, il y avait toujours euh, des cas d'assassinat, des cas d'enlèvement et tout ça. Mais une attaque qui vise. Euh, Est-ce que euh, cela peut s'expliquer par euh, le retrait des eaux de la Komadougou Si on considère que les assaillants sont venus d'ailleurs, oui. Mais cela n'est pas encore vérifié. C'est-à-dire que si on considère que ceux qui font l'attaque viennent, par exemple, du Nigeria voisin, puisque la Komadougou, sépare le Niger du Nigeria dans cette zone, si on suppose que ces groupes sont venus du Nigeria, on peut penser qu'ils sont venus parce que les eaux ont diminué, mais ils peuvent être aussi sur le territoire du Niger. Hein. Il ne faut pas se faire des illusions. Les attaques, tout ce qui s'est passé dans cette région depuis maintenant au moins deux ans, euh, avec les cas des enlèvements, des personnes qui ont été enlevées par ces groupes, on sait que lorsque ces personnes sont enlevées, elles sont quelque part dans le lit de la mais c'est parfois dans la partie nigérienne. Donc ça montre que ces groupes sont aussi sur le territoire du Niger. Il ne faut pas penser qu'ils viennent toujours d'ailleurs. À un moment, on avait tous pensé que, euh, puisque Boko Haram a commencé au Nigeria, donc s'il y a des attaques, ça veut dire qu'ils quittent le foyer du Nigeria pour venir. Je pense qu'il faut interroger ces choses. C'est peut-être plus, plus évident. Euh, mais les le plus dramatique, c'est que euh, ces groupes semblent apparemment bien informés, puisqu'ils réussissent leurs opérations. Ça veut dire qu'ils sont informés, ils ont le temps de se préparer, de venir poser les actes et puis repartir tranquillement. Et de jour, hein, euh, ce n'est pas une attaque nocturne, ça s'est passé je crois près aux environs de 17 heures, donc euh, ce n'est pas une attaque nocturne. Ça montre encore une fois comment ce Cela veut dire qu'il y a une faille au niveau du service des renseignements Ça veut dire que les assaillants, au moins, préparent leur coup. C'est-à-dire qu'ils se renseignent. Ils se renseignent bien avant de venir. Et apparemment, le succès qu'ils ont, puisqu'ils ont causé des morts, aux 7 à 8 personnes tuées, ils ont emporté le matériel, ils ont même eu le temps non seulement de se ravitailler, de prendre ce qu'ils veulent et de mettre le feu sur ce qui reste, ça veut dire qu'ils sont bien préparés, apparemment ils sont bien renseignés, et donc c'est comme ça qu'ils sont partis. Donc ça montre jusqu'à présent que les FDS n'ont pas encore trouvé un mécanisme qui leur permet d'être euh, informés et de prévenir ces attaques-là. C'est-à-dire que c'est après coup, même s'il y a des poursuites, les dégâts sont déjà causés, c'est après que les, les, les FDS réagissent. Donc ça veut dire qu'il y a véritablement un travail sur les renseignements, on n'a pas encore réussi à le faire. Euh, dans ce studio, je pense que ça fait des, années hein, qu'on en parle sur le fait qu'il faut absolument renforcer le renseignement. Le renseignement permet de prévenir. Mais de lors que vous n'êtes pas renseigné, vous réagissez après coup. Et donc après les dégâts. C'est quelque chose d'extrêmement difficile malheureusement, en tout cas dans la zone de Difa, ça ressemble à des coups classiques qu'on a observés depuis, depuis des années et ça montre que ça continue malheureusement. Ah bah, un mot par rapport à l'attaque euh, du Dingazi Panda ayant causé la mort du fils aîné de l'ancien président de la République du Niger, ah, Ali Seymour Moi, je, me posais, je me posais des questions. Euh, d'abord, euh, est-ce que c'est lui qui est visé en tant que personne Je me pose la question. Est-ce qu'il est une victime parmi tant d'autres euh, Là, pour moi, il y a beaucoup plus d'interrogations que, que, que, de réponses. Par contre, euh, les attaques dans cette zone, il n'y a rien de surprenant. Euh, ce qu'on a vu, les attaques dans les villages, les attaques contre des personnes, les biens emportés, c'est malheureusement le quotidien aussi des populations dans cette zone quand on écoute ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les informations qui circulent, bon, on voit malheureusement que c'est ça l'écoute. Maintenant, est-ce qu'il a été visé en tant que... Puisque là, on rappelle que c'est quand même le fils d'un ancien président. Euh, je ne sais pas très bien euh, les circonstances de, sa mort, mais euh, malheureusement, dans cette zone, tout peut arriver. je pense qu'il y a beaucoup de, de, victimes qui ressemblent à ça, des pauvres innocents tués sans qu'on ne comprenne parfois pourquoi. Rufai Dandoua, votre opinion au sujet euh, de la recrudescence des attaques armées euh, contre des civils et des forces de défense et de sécurité au Niger euh, merci Mokhtar. je vais commencer par le fils de l'ancien président Ali Sebou. Je, cru comprendre ou je cru entendre quelque part que des gens qui disent qu'il n'était pas dans, dans, dans l'attaque. Ce n'était pas de l'attaque, même si d'autres avaient parlé, avaient pensé qu'il était de l'attaque. Mais même si c'est le cas, je ne pense pas qu'il avait été visé. Peut-être qu'il avait été là au mauvais moment. Et dans ce genre de situation, quand ça arrive, euh, eux, les, les assaillants ne font pas la différence entre le fils d'un tel ou, de tel autre. Peut-être qu'il a été là et c'était la fin de ce jour, il a subi la foudre de ces, euh, de ces djihadistes, euh, paix à son âme, mais dans, dans, tous les cas, quand on perd un enfant d'un ancien président de la République, je crois aussi et c'est vrai que la vie n'est pas, aucune vie n'est supérieure à l'autre, mais il faut aussi se poser des questions parce que ce sont déjà des, personnages ou des personnalités qu'on met dans des situations comme ça en, sécurité. Mais dans tous les cas, on, sait que dans, cette région de, de tout comme dans la région de Difa, euh, qu'a évoqué Abba, ce sont des régions très instables depuis un certain temps il est vrai que depuis un certain temps, depuis le réaménagement qui a été fait au niveau de la hiérarchie militaire, on a constaté une relative accalmie, mais peut-être aussi que cela a permis aux djihadistes de, profiter pour, faire, pour faire profil bas et revenir et surprendre euh, nos forces pensant qu'on était à l'abri entre griffes de, ce genre d'attaque. Un, calme avant la tempête. Oui, oui ils avaient compris, puisque rappelez-vous aussi de, de, la vidéo euh, récente du, chef de, Boko Haram, chez qui était euh, revenu, qui a apparu pour faire comprendre aux gens qu'il est là, aux Nigériens, aux Nigériens d'abord et aux Nigériens, et un peu tous ceux qui sont aux alentours de, du lac Tchad, qu'il est là et que qu'il a encore cette force de, frappe. Il l'a montré au Niger, même s'il ne l'a pas encore montré au Nigeria, en tuant huit de nos militaires, huit blessés et en, emportant tout ce qu'il y avait sur la route. Je pense qu'ils ont montré encore qu'ils ont cette capacité et qu'il ne faut pas encore dormir sur nos lauriers. Les moyens aériens qu'on a euh, amenés récemment, et il faut qu'on les déploie là où il le faut pour, pour qu'ils puissent pour qu'on puisse travailler avec. Et la question que vous avez posée quand vous avez parlé des renseignements, je pense que oui, et on est encore à court de renseignements parce que, comme l'a dit Abba, les renseignements permettent de prévenir. Et lorsqu'on ne prévient pas, on est, sujet à ce genre d'attaque. Et c'est ce qui nous est arrivé parce que eux, ces bandits, quand ils viennent, ils se renseignent. Ils ne viennent pas comme ça pour dire on va venir et on va, on affronter ce, ce, ce qu'il y a sur place. Non, ils se renseignent à quel moment on doit attaquer, à quel moment elles sont perméables et à quel moment on va avoir la victoire. Ils peuvent le faire la nuit, ils peuvent le faire dans la journée. Cette fois-ci, ils l'ont fait dans la journée et ils ont réussi parce que et on ne dit pas voilà le nombre d'assaillants qu'on a tués, mais c'est le nombre de militaires nigériens qu'on a, qu'on a tués. Pire encore, ce qui est grave, c'est qu'ils s'arrêtent jusqu'à ce qu'ils font eux-mêmes le service après-vente. Qu'est-ce que j'appelle service après-vente Ça veut dire qu'ils prennent tout ce qu'il y a emporté, ils incendient tout ce qu'il y a incendié pour qu'on ne les poursuive pas, et en fin de compte, on vous dit qu'on a engagé une, course poursuite peut-être après 3 heures, 4 heures de temps. Or, pendant ce temps, eux connaissant très bien le terrain, personne ne va les trouver. Je, pense que... Mais dans un communiqué, euh, ces terroristes ont été neutralisés oui, on dit, on dit j'ai vu, on dit presque tous ont été neutralisés. Comment On ne sait pas. Vous avez... Ce, sont des, termes qu'on utilise chaque fois. On ne peut que croire, hein, parce qu'on n'est pas sur le terrain, on ne peut que croire pour galvaniser aussi les troupes, pour ne pas dire qu'ils n'ont pas eu de soutien, pour, pour qu'on ne dise pas qu'ils n'ont pas euh, qu'on a laissé faire. Mais et à chaque fois, c'est après qu'on intervient. Et c'est ça qui est, qui est inquiétant. Donc, il nous faut encore euh, et toujours des services de remplacement compétents qui vont prévenir avant même qu'il y ait ce genre d'intervention-là on va éviter toutes euh, les des morts, puisque euh, rappelez-vous tout ce qui s'est passé, des centaines de morts euh, qu'on a, qu'on a arrêtés récemment au Niger, qui ont été à la base de, toute cette enquête qui fait polémique au Niger. Je pense qu'il faut éviter ça. Et pour éviter ça, il faut avoir des, des renseignements. Maintenant, pour revenir à Kony, je pense que Kony, comme l'a dit Abba, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Chaque fois, quand vous partez à Kony, tout le monde part à Kony. Est-ce qu'on peut euh, lier euh, l'acte de Kony euh, au banditisme Oui, bien sûr, parce que pour qui connaît Kony, ce sont des régions ou des départements qui sont frontaliers avec le Nigeria. Il y a beaucoup d'échanges d'argent, Naira, CFA. Et quand vous voyez euh, le laxisme avec lequel les gens transporte de l'argent pour rentrer, chez, oui, pour rentrer chez eux avec l'argent. Quand vous voyez le laxisme avec lequel les gens même trimballent l'argent et l'exposent. Oui, hein. l'exposent avant la fin de, de, la journée, avant la fin du marché. Bon, les gens, vous voyez ce que ça fait dans ces, situations où les gens ont, tellement faim, où les gens sont tellement pauvres. <laughs> Bon, les gens prennent le plaisir d'aller chercher des des armes à feu pour venir attaquer. Et malheureusement pour les bandits, heureusement pour, pour, pour ceux qui avaient l'argent, on a intercepté les trois assaillants et ils sont hors d'état de nuire. Je pense que c'est ça qu'on peut souhaiter. Mais à, l'avenir, il faut que ces gens aussi qui font ce genre de, de commerce euh, se disent qu'on n'expose pas de l'argent comme ça euh, sous la coupe de la tentation. Ah bah, comment expliquer euh, cette euh, attaque frontale à Difa malgré tous les moyens mobilisés dans cette euh, zone Alors, quand vous dites tous les moyens mobilisés, on avait tous pensé que beaucoup de moyens étaient mobilisés. Hein. Mais là, Rufai l'a évoqué. finalement, on ne sait plus quoi penser des moyens mobilisés, puisque on a entendu des ressources qui sont mobilisées dans le cadre de la sécurité. Les dernières informations laissent croire que cet argent n'est pas nécessairement allé sur le terrain. Et donc, du coup, aujourd'hui, il est difficile de dire qu'est-ce qui est véritablement mobilisé sur le terrain. Donc, c'est ça la question, parce que je pense que l'actualité sur cette affaire d'audit du ministère de la Défense, ça sème le trouble dans l'esprit des, gens. Euh, ça permet aujourd'hui de, énormément de questions sur le fait que comment en temps de guerre, on ne s'est jamais assuré qu'on a le matériel dont on a besoin. On avait annoncé, on a pris l'argent public, pour dire que ça va pour la défense. À travers les, différents budgets À travers les différents budgets, pas seulement les planifications qui étaient faites initialement, mais tout au long des différentes années, il y a eu des collectifs budgétaires pour dire qu'on avait vraiment besoin de l'argent sur le terrain et qu'il fallait le faire. Je pense que de bonne foi, les Nigériens l'ont cru. Mais apparemment, l'audit du ministère de la Défense montre qu'on qu'on a en fait arnaqué les, Nigériens euh, et que les gens ont profité de la guerre pour euh, se remplir les poches, apparemment, puisque on n'a pas encore euh, toutes les informations. Mais en tout cas, donc, du coup, aujourd'hui, c'est difficile de dire si réellement tout le matériel qu'il faut amener sur le terrain a été amené. Et donc ça pose aujourd'hui beaucoup d'interrogations. Je pense qu'il y a beaucoup de vérités qui sont tombées. Euh, à un moment, on disait, ben, dès que vous parlez de ça, il ne faut pas démoraliser les troupes. C'est en fait, on secret défense. Bon, voilà. Donc, désormais, je pense que ça suscite beaucoup d'interrogations. Du coup, il est vraiment difficile aujourd'hui de dire euh, comment on a pu attaquer malgré le matériel. Parce que ce matériel, désormais, il n'y a pas de certitude qu'on a vraiment amené de quoi faire la guerre sur le terrain. Je pense, qu'il n'est pas difficile. Peut-être que eh, Abba essaie de, mesurer, ses propos, mais ah, ah, quand, on s'en tient aux propos de, eh, qui, ont circulé sur la toile qu'on attribue au ministre de la Défense, c'est clair. Il a été clair. Il a dit que eh, les matériels de guerre n'étaient même pas de bonne qualité, que si certains avaient eu vent de ce qui a été fait, il aurait même pris des armes pour. Euh, fusillés, d'autres. Donc, euh, je pense, et il a été clair, les, militaires n'ont pas été bien euh, servis pour aller combattre l'ennemi quand on sait que l'ennemi, lui, en face, est, bien armé pour affronter euh, cette guerre qui est asymétrique, on, a, sait, qui est beaucoup plus intelligente que le genre de guerre qu'on a l'habitude de voir. Je pense qu'il est clair, il faut le dire, qu'ils n'ont pas été bien équipés. C'est maintenant qu'on amène euh, qu'on nous présente deux avions de chasse qui sont arrivés alors que euh, c'est déjà trop tard Bon, ce n'est pas encore tard. le mal est fait. Euh, le mal est fait parce que des dizaines, des centaines de, Nigériens ont été tués. Les armes qu'on leur donnait, les, comment les cartouches qu'on leur donnait, beaucoup ont, dit que, c'est ou des vieilles cartouches ou des cartouches qui, ne marchaient pas. Donc oui, on peut l'affirmer aujourd'hui. Ça risque de se tromper que ces militaires n'ont pas été bien équipés pour aller affronter l'ennemi. Et moi, ce qui me cure dans tout ça, c'est que comment des gens peuvent-ils profiter de cela pour s'enrichir quand on sait que eh, ce sont des Nigériens, ce sont leurs frères, leurs, euh, fils qui sont envoyés sur le terrain, qui ont été tués, qui, et, qui laissent des veuves, qui laissent leurs soeurs, leurs filles veuves et des enfants orphelins. Je me demande comment les gens peuvent dormir tranquilles dans ce pays. Cérémonie d'installation lundi au Centre international de conférence Matama Gandhi de Niamey des députés de la cinquième législature du Parlement communautaire des 15 pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO. C'est le président nigérien Issoufou Mahamadou, président en exercice de la CDAO, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette session inaugurale des cinq jours toujours euh, Rufai Dandoua, votre commentaire après avoir euh, suivi tous ces processus moi, tout ce que je, euh, tiens à souligner, c'est qu'aujourd'hui, le Niger est devenu un hub un carrefour, un grand centre aujourd'hui où toutes les grandes rencontres peuvent se tenir. Je pense que c'est quelque chose qui est important et à souligner, qui peut, mettre, qui peut être mis à l'actif de, de la diplomatie nigérienne incarnée par le président de la République, bien sûr. Euh, c'est très important pour l'image du pays. Euh, je je vu que le Niger a déjà eu un, a eu un poste euh, du premier vice-président, mais je me demande c'est à la personne du, du, du, du député Zili qu'elle a été. Oui, parce que euh, quelque part, je me dis que euh, pour être, euh, déjà pour être membre du Parlement de la CDAO, il faut vraiment être un député très posé, très imposant, et jusqu'à avoir un poste de vice-président. Vous pensez qu'il ne peut pas être à la hauteur des défis euh, Oui, le, connaissant vraiment, moi je fais partie peut-être des journalistes qui, à, la, surtout à la première législature, euh, j'ai couvert l'Assemblée nationale de, pendant cinq ans les activités, les travaux de l'Assemblée, et la, la, mandature qui avait et, euh, la législature passée, bien avant aussi. Je me dis les choses ont évolué sur le terrain. Oui, je me dis que pour vraiment, je ne pense pas qu'elle a les capacités nécessaires pour, euh, euh, pour répondre aux exigences d'un tel, tel, degré de responsabilité. mais bon, c'est pour le Niger, c'est tellement, c'est quand même quelque chose, mais je ne pense pas que pour la personne, c'est mérité. Rufai Dendoua, quels sont les chantiers qui attendent euh, ce nouveau au Parlement de la CDAO Oui, justement, quand vous voyez, regardez aujourd'hui, déjà il y, a le problème en Guinée la, crise pré, électorale avec les, la, prorogation de, euh, de, deux semaines. Vous faites allusion à la Guinée-Bissau, à la Guinée-Conakry Guinée-Conakry, oui. Aujourd'hui, hier, le président de la République était parti c'est à la Guinée-Bissau, non la, Guinée-Bissau. Voilà, avec les élections où deux présidents se sont autoproclamés. Les crises post-électorales. Vous, voyez, il y a un peu partout en Afrique des, des crises et en Afrique de l'Ouest surtout, au sein de la CDAO, de, ce genre de problème eh, qui arrive. Heureusement qu'en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a dit qu'il ne va pas se présenter. Ici au Niger aussi, le président Youssouf a dit qu'il ne va pas se présenter. Mais un peu partout en Afrique, c'est le genre de problème qu'on rencontre où les présidents, au-delà de, leur mandat, ne veulent pas quitter le pouvoir. Et ça, la CDAO doit intervenir, le Parlement doit jouer un rôle important. Maintenant, est-ce que ce genre de... C'est là où je vous dis qu'il faut des, des personnes aguerries et eh, à la tête de ce genre Est-ce que ce genre de qui sont élus euh, peuvent le faire, je me pose la question. Il y a aussi des défis sécuritaires. Oui, bien sûr, vous vous rappelez, ici, on avait dit que euh, la CDAO, l'Union africaine n'interviennent pas pour soutenir, par exemple, euh, les forces militaires, par exemple, la force oui, la force Balkane, la force de G5 ici. Et récemment, on a appris que l'Union africaine va intervenir à hauteur de 3000 militaires. Que va faire la CDAO Là encore, c'est un autre euh, défi. Les États vont euh, soumettre au Parlement de la CEDAO ce genre de problème pour essayer d'adopter ce genre de, résolution. Est-ce qu'ils euh, auront le coup de franche pour le faire Est-ce qu'ils auront les, capacités nécessaires pour affronter les, présidents et imposer au président, comme le président Alpha Condé, de ne pas se présenter je ne sais pas, donc il y a beaucoup de défis politiques, sécuritaires qui, qui attendent, et aussi sanitaires. On ne sait pas encore aujourd'hui avec ce genre de maladie. on, va, on va aborder ça dans la troisième partie. Euh, Hassan, Hassan Boukara, euh, quelles sont les attentes des populations des pays membres euh, de la CDAO Merci beaucoup. Je pense que ce, cette législature s'installe à un moment quand même important de l'histoire de la CDAO. Une des choses, une des raisons pour lesquelles on a voulu de la CDAO, c'est d'avoir un espace communautaire sans frontières. Alors aujourd'hui, on voit que à travers euh, l'exemple du Nigeria au moins, que la question de l'intégration revient sur la table. Le Nigeria est quand même un des membres fondateurs. Et c'est à Lagos en 1975 que la CDAO est née. Aujourd'hui, depuis août, la frontière du Nigeria est fermée. Le Nigeria considère que ses voisins ne jouent pas franc jeu dans la lutte contre euh, les trafics, euh, dans des questions qui menacent euh, ses intérêts économiques. Et du coup, la solution qu'il choisit, c'est de fermer ses frontières. Euh, ce, que, ce, que, je suis en train de dire, c'est que je suis en train de rappeler les raisons pour lesquelles le Nigeria a décidé de fermer ses frontières. Il a fermé ses frontières en considérant que ce qu'il vit lui donne le droit de fermer carrément ses frontières. Or, la CDAO avait posé comme une des conditions sine qua non pour l'intégration régionale la libre circulation. Des personnes et de leurs biens. Voilà. Donc aujourd'hui, quand vous fermez les frontières, vous faites obstacle à la libre circulation. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, ça veut dire qu'en tant que membre d'un espace communautaire, vous, vous, appelez toujours entre vos intérêts en tant que pays, puis les intérêts en tant qu'espace communautaire. Le Niger a fait presque la même chose quand il a eu des accords avec les puissances européennes sur la libre circulation. Il a quand même mis à rude épreuve la libre circulation, en considérant que euh, ce qu'il a à travers les accords bilatéraux et multilatéraux avec les pays. Dans le cadre de la migration. Oui, dans le cadre de la migration. C'était plus important que la libre circulation des citoyens, qui est un des principes les plus importants proclamés par la CDAO. Donc aujourd'hui, à mon avis, la question de fond, c'est, d'abord la volonté des États de s'intégrer davantage pour aller vers un espace communautaire. C'est un, un défi majeur pour moi. Au Ghana aussi, il y a des moments où il y avait beaucoup de frictions entre le Ghana et certains de de la CDAO. Je pense que les dernières dates, c'était des commerçants du Nigeria qui étaient accusés d'occuper des espaces euh, au Ghana, il y avait des conflits et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, la question de l'intégration elle-même est une question extrêmement importante. La volonté exprimée en 1975, ce n'est pas totalement un acquis aujourd'hui. Et du coup, je pense que les signes qu'on voit aujourd'hui, c'est assez difficile. donc, un des rôles du, Parlement, je pense que ça a été dit à Niamey, c'est d'aller vers une CDAO des peuples. Faire en sorte que, ça ne se limite pas seulement sur le plan politique. Vers, aller vers une CDAO des peuples, c'est de donner aux citoyens de l'espace communautaire les raisons de rêver. Une, euh, euh, euh, CDAO des peuples, est-ce que cela est possible sur le terrain Alors, c'est ce que j'ai dit. Pour qu'il y ait une CDAO des peuples, il faut donner au peuple les, les, les moyens de rêver. C'est-à-dire, amener les peuples à se dire, ensemble, peut-être que nous sommes plus forts que euh, tout ce qu'on a tenté et tout ce qu'on voit aujourd'hui de l'Afrique et d'autres régions du monde fait que quand on est seul, on est isolé, on est fragile. Peut-être qu'en se mettant à 15, on a plus de chances de réussir que sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sécurité, etc. Chacun a intérêt à aller vers cette union. Si on donne suffisamment de moyens aux communautés, les gens voudront aller vers cette CDA des peuples. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a ce a évoqué, les, par exemple la question de euh, sécuritaire. Euh, on a connu une CDAO plus forte qui peut aller faire, euh, avec les Comogues, aller mettre la paix. Aujourd'hui, aux portes du Nigeria, la sécurité sévit. Et donc, on a peut-être reculé de ce point de vue. L'autre chantier très important que la CDAO a annoncé depuis sa création, c'était la monnaie unique on, a, on arrivé à un moment, on nous a dit qu'en 2020, c'était possible, la monnaie de la CDAO. Puis on a vu euh, un faux pas qui vient de la zone UEMOA, qui vient presque remettre en cause ce processus qui est né avec la CDAO, avec euh, les mêmes acteurs qui ont toujours voulu opposer l'UEMOA, qui est comme un espace francophone, à la CDAO, qui est un espace beaucoup plus large. Et donc, du coup, ces, terrains sont extrêmement, extrêmement importants et ces chantiers. Maintenant, un Parlement il faut bien que dans ce, dans ce paysage, qu'il montre qu'il a quand même quelque chose à partager, qu'il a un rôle à jouer, qu'il peut mobiliser les populations de cet espace communautaire des 15 pays pour aller vers un renforcement de cet espace-là, à un moment où, pas seulement en Afrique, partout au monde, les gens interrogent ce type d'espace. Euh, le Brexit montre aujourd'hui qu'une union qui est là depuis des décennies, les gens euh, et les citoyens ont fini par douter et finalement, le politique a suivi, ils ont quitté. Et donc aujourd'hui, est-ce que nous avons plus de raisons, comparaison n'est pas raison, est-ce qu'on a plus de raisons aujourd'hui de vouloir un espace comme la CDAO euh, opposé à l'Union européenne Est-ce que tous les États sont encore convaincus, comme ils l'ont fait en 1975, qu'on a besoin de cet espace pour être plus fort, parler d'une même voix, avoir une même économie, etc. Il y a la dimension politique, la dimension de, il faut que chacun respecte les règles du jeu. Si on veut avoir deux mandats, il ne faut pas au dernier moment vouloir changer. Et donc, à mon avis, c'est vraiment il y a trop tout de un défis chantier, selon vous. Tout, un chantier qui est là. Et la législation, c'était un des acquis. Hein. Par exemple, si vous partez dans les autres zones, euh, la zone CEMAC, par exemple, une des choses qu'on a vu à la CDAO, c'était qu'avec euh, un seul passeport, vous puissiez faire, par exemple, 15 pays, le fait qu'il n'y ait pas de visa. Mais on voit bien aujourd'hui tous les défis qui se posent à ça. Et le président sortant du Parlement de la CDAO, M. Mustafa Lo, une des choses sur lesquelles il a travaillé, c'est d'aller visiter les zones frontalières et de voir quels sont les défis qui se posent à la libre circulation et d'agir. Et donc, ce Parlement, à mon avis, il faut bien qu'il prouve aussi qu'il peut faire avancer ces chantiers énormes de la CDAO peut-être que son importance viendrait de là. C'est pour ça qu'il faut des, pour ça qu'il faut des gens eh, extrêmement. Eh, de tous ces dossiers. Oui, de tous ces dossiers. C'est pour ça que je vous dis que le vice-président du Niger, est-ce qu'il a la capacité pour le faire Aujourd'hui, on parle du Parlement du peuple. Quand on parle du Parlement du peuple, je me demande est-ce qu'on doit eh, mettre le peuple au centre des décisions je me pose la question. Puisque quand vous regardez par exemple l'Union euh, euh, euh, européenne, Abba l'a évoqué, quand à l'époque, pour une adhésion, il faut un référendum. Récemment, quand il y a le Brexit, on a interrogé le peuple eh, britannique pour lui demander veux-tu ou pas rester au sein de l'Union européenne Il a dit non, je ne veux pas rester. Et après cela, il y avait eu tout un processus qui a conduit au, retrait de, la Grande-Bretagne et eh, de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut faire ça, par exemple, maintenant pour revenir, eh, rester avec les 15, maintenant dire s'il y a d'autres qui veulent intégrer et la, la CDAO, on va faire un référendum, ou bien s'il y a d'autres qui ne se sentent pas bien, par exemple le Nigeria, qui pense aujourd'hui qu'il n'est pas bien avec euh, au sein de la CDAO, la preuve, il a fermé ses frontières pendant plus de cinq mois. Est-ce qu'on va faire un référendum pour que le Nigeria reste ou pas Donc ce sont, ce sont toutes ces questions qu'il faut se poser pour essayer de, de, trouver des réponses. On a une courte pause. Parlons de santé à présent. Selon le rapport du 7 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé OMS, le nombre de cas de coronavirus au plan mondial a dépassé 100 000 cas dans près d'une centaine de pays et territoires et a provoqué plus de 3 700 morts. En Afrique, 9 pays sont touchés avec 83 cas confirmés. Il s'agit euh, d'Algérie, Sénégal, Afrique du Sud, Maroc, Tunisie, Cameroun, Nigeria, Togo et l'Égypte, où le premier décès a été enregistré mardi. Hassan Boukar, selon le ministre nigérien de la Santé, 5000 aides mémoire de sensibilisation euh, sont produites au profit des agents de santé, euh, du matériel de protection a été placé au niveau de tous les points euh, d'entrée aérien et terrestre sur le territoire national. Comment euh, maintenant amener les populations à se familiariser avec tous ces outils élémentaires de prévention de cette maladie dangereuse Merci beaucoup. Je pense que on a quand même eu à faire des campagnes sur d'autres maladies c'est d'autres épidémies. Je pense que pour l'instant, le canal des médias, les trucs de communication, c'est peut-être ça qu'il faut continuer à faire. Euh, sauf que là, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, ça montre quand même que même des pays mieux préparés que nous ont du mal à endiguer cette, cette maladie. Euh, nos pays ne peuvent pas croiser les bras. C'est bien qu'ils prennent des initiatives. Mais une des choses qu'il faut réussir, c'est la prévention. Faire en sorte que euh, lorsque des personnes viennent des zones euh, affectées, qu'on puisse vraiment trouver les moyens de les isoler et tout ça. C'est peut-être ah, ça ah, qui. Dans ce sens, euh, le ministère de la Santé publique a fait sortir un communiqué à travers ce qu'il convient d'appeler l'auto-isolement qui consiste à mettre en 40, à, s'isoler pendant 14 jours pour qu'on puisse savoir si la personne est infectée ou pas. Tout à fait. D'autres pays ont, ont fait la même chose. C'est-à-dire que Maintenant, ces choses, euh, bon, il faut, le faire puisque tout le monde le fait. Euh, mais c'est valable dans des pays où on contrôle les frontières, c'est-à-dire qu'on contrôle les entrées les sorties, sorties. C'est beaucoup plus facile. Dans nos pays, c'est extrêmement compliqué. Mais il oh, ne faut pas croiser les bras. Par exemple, les voyageurs qui viennent des zones affectées, on pense qu'une partie au moins importante de ces gens viennent par voie aérienne. Et c'est pour ça que c'est bien de contrôler les, les, puisque maintenant les principaux foyers, on les connaît. En dehors de la Chine, c'est un certain nombre de pays européens. Euh, vous avez cité plusieurs autres, autres pays. Mais on sait que euh, le va-et-vient, euh, on connaît les principaux foyers. Quoi. On, peut, on peut faire des choses de ce type. Mais à mon avis, aujourd'hui, c'est c'est vraiment, il ne faut, il faut pas souhaiter que ça arrive dans, notre pays. Il faut vraiment jouer sur la prévention. Euh, je pense que euh, malheureusement, dans notre pays, euh, pour faire passer des communications et tout ça, ce n'est pas toujours aisé. Il y a des pays dans lesquels vous faites des affiches et tout ça, les gens peuvent lire. On a un taux d'analphabétisme assez élevé. donc c'est pour ça que la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est peut-être d'utiliser des SMS, utiliser euh, les médias. Euh, euh, la télé, la radio. Les réseaux sociaux. Voilà, par exemple, sur les questions d'hygiène et tout ça, on peut préparer, préparer les gens. Mais au-delà de ça, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Bon, le monde étant un village planétaire, ce qui arrive aux uns, ça finit par atterrir chez vous. C'est vraiment ça qui est, qui est, bien dommage. Quoi. Mais en tout cas, à mon avis, la seule chose, pour l'instant, puisqu'il n'y a pas d'autre solution, c'est de faire comme les, autres et on peut rêver en espérant que le virus ne puisse pas résister à la chaleur. Au moins, ça quelque chose. Malheur est bon, chez nous, il fait chaud. Voilà, comme on le dit. Quoi. Euh, Orfaï Dandoua, que peut-on savoir ou retenir au sujet de cette maladie dangereuse Je pense que c'est tout ce qu'on peut espérer, c'est que que ce virus ne puisse pas... Euh, oui, qu'est-ce que euh, peut-on savoir sur euh, la maladie Aujourd'hui, c'est devenu une pandémie. L'OMS l'a décrété. l'a décrété. Quand vous voyez et tous, les, tous les grands pays qui sont sur le plan sanitaire très bien préparés à affronter les États-Unis, hier, Trump l'a dit, nous sommes le pays qui, en termes de, de, chercheurs, en termes de médecins, en termes de, prépa de préparatifs sur le plan sanitaire, le meilleur au monde. Mais les États-Unis, aujourd'hui, quand vous, quand vous prenez par exemple, le NBA, le, championnat nord, euh, américain de basketball a été arrêté parce qu'un basketteur euh, a, été euh, contrôlé positif au, coronavirus. Au coronavirus. C'est Dieu sait combien, combien ils vont perdre. Quand vous prenez aujourd'hui un peu partout en Europe, tous les, les, matchs se jouent à huis clos où les championnats sont arrêtés. Vous vous demandez comment même les gens se, sont ont contracté cette maladie. Avant, on disait que ah, c'est arrivé par euh, ressortissants de la Chine dans ce pays ou ressortissants de l'Italie dans ce pays. Mais aujourd'hui, on ne sait plus comment ça. comment cette maladie a pu gagner euh, un, si peu de temps mais, toute eh, la planète Mais, ah, ah, moi, je pense que c'est facile, c'est très simple. Aujourd'hui, la Chine commerce avec tous les pays du monde. ça a pris. Euh, son, son ampleur. Ça a commencé à la Chine, ça a pris son ampleur à la Chine. Et le malheur, c'est que le, le, patient zéro, comme on dit, on ne l'a pas encore détecté. On ne sait pas qui était à la base. Le premier, et eh, cas, eh, de, coronavirus. on ne le connaît pas, on ne l'a pas situé. Donc ça veut dire qu'il aura contaminé beaucoup de gens entre, temps. On ne sait même pas si les chiffres qu'on avance aujourd'hui est, est, vrai ou faux. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'en Afrique, on n'est pas encore prêt. L'Iran l'a dit, il l'a même déclaré à, à l'OMS, on n'a pas les capacités nécessaires pour, faire, face faire, face à cette maladie, on demande l'aide de la communauté internationale. Si des pays comme l'Iran demandent l'aide de la communauté internationale, c'est que nous, tout ce qu'on va faire, c'est de prier pour que ça n'arrive pas chez nous. C'est arrivé ici au Togo, c'est en Côte d'Ivoire. Donc nous, on doit prier, même, au Burkina. même au, on Burkina, il y a deux ou trois cas, on doit prier pour que ça ne vienne pas ici. Parce que, comme l'a dit Abba, on ne peut pas contrôler les frontières, on ne sait Imaginez si ça vient dans nos pays. Ça veut dire qu'on ne peut même pas aller dans les mosquées. Oui, mais c'est ce que ça veut dire. Puisque nous, quand on parle les mosquées, après la, prière, on se salue. Or, la première euh, prévention, ce ne pas se saluer. En plus, il ne faut pas tousser. Mais quand vous partez dans les mosquées, on fait tout ça. Donc, nous, tout ce qu'on peut espérer de, cette pandémie, c'est qu'elle n'arrive pas, un, euh, dans nos pays, deux, c'est qu'on espère que le virus ne supporte pas euh, à, la chaleur, puisque d'après les, ce que les analystes disent, ça attaque ou ça affaiblit plus les personnes âgées la plupart des personnes qui sont euh, décédées ont entre 80 et 90 ans. Donc je pense que la population aussi jeune de, nos États africains peut contribuer. Mais sinon, aujourd'hui, on ne, sait même pas par quelle manière les gens sont contractés, puisque, juste pour donner un exemple, le, le basketteur américain qui a contracté la maladie, il blaguait avec les journalistes après la conférence de presse, il n'y avait aucun cas. Et deux jours après, on l'a testé positif. Vous imaginez donc Il y, a beaucoup de gens, des, vedettes dont on ne pense même pas comment elles peuvent attraper cette maladie. Elles l'ont contractée. Donc je pense que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est prier. Hassan Boukara, euh, quel est l'impact euh, de l'épidémie du euh, de coronavirus Covid-19 sur l'économie à l'échelle nationale et internationale Alors, les, conséquences, tout le monde en parle. les premières conséquences, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça a déstabilisé les relations internationales, ça a déstabilisé le commerce. Euh, un des signaux qu'on voit, c'est les bourses. Les médias. ici au Niger, est-ce que dans les jours à venir, peut-on s'attendre à un renchérissement du prix euh, de certains produits et de certains articles oh, il y a souvent des gens qui profitent de la spéculation. Ça peut ne pas avoir un lien direct, mais peut-être que ceux qui veulent alimenter la spéculation peuvent le faire. Sinon, aujourd'hui, par exemple, de ce point de vue, on peut beaucoup plus s'inquiéter de la fermeture des frontières du Nigeria que des ravitaillements. Mais si les gens veulent faire la spéculation, faire les, renchérir les choses, oui, ça peut, ça peut arriver. Mais les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, vous avez par exemple des rencontres internationales qui ne peuvent pas être faites. J'ai cru comprendre que Niamey devait accueillir les cinquantenaires de la francophonie. Ça, a été, ça a été annulé. Et donc, or, ces types d'activités ont quand même des retombées économiques, au moins pour le secteur privé, pour l'image du pays. Donc ces choses-là seront annulées. Maintenant, vous avez la psychose qui fait que vous n'êtes pas à l'aise. Alors, méfiez-vous. Hein, si, C'est-à-dire que dans les pays aujourd'hui où on dit il y a plusieurs cas, tout le monde a peur. Regardez un lieu comme les marchés ou les mosquées, Rufai vient de l'évoquer. Le jour où on vous dit qu'il y a 3-4 cas. Ben, dans, les églises. Hein. Bon, est-ce que les gens vont aller à ces lieux Je me pose la question. Donc, ça va forcément affecter l'économie, les, l'économie les, relations. Euh, il y a des pays qui ont carrément dit les ressortissants de tel pays ne viennent plus chez nous. Il a rappelé le cas des États-Unis. C'est quand même difficile à imaginer qu'on dise que les Européens ne viennent pas aux, États-Unis, c'est quand même totalement inimaginable, mais pourtant c'est arrivé. Il y a le Hajj, le Hajj, la, Umra. Le, Hajj, la Umra, ou alors euh, que dans un pays comme l'Italie, qu'on dise que tous les pays sont mis, en quarantaine. Alors, quand, ça a commencé en Chine, lorsque les Chinois ont dit euh, autour euh, de, de, Wuhan, ils mettaient toute cette zone en quarantaine, on avait évalué la population à autour de 40-50 millions, les Européens s'en moquaient, ils disaient c'est seulement une dictature qui le permet c'est parce que Xi Jinping était un dictateur, la Chine n'avait pas suffisamment intégré les droits humains, la démocratie, c'est des régimes autoritaires. Alors on le voit aujourd'hui en Europe. On voit comment Trump, euh, quelqu'un qui est élu aux États-Unis, qui, qui, qui, et qui met, euh, finalement, il met en quarantaine l'Europe quoi, en disant vous n'allez pas atterrir aux États. Et donc aujourd'hui, je pense que les conséquences économiques vont être énormes. Maintenant, euh, on ne sait plus quand ça va s'arrêter, c'est le plus grave. Quand, vous voyez les, bourses, euh, les bourses qui, qui, qui baissent de 10%, 10% c'est énorme. On n'a pas vu ça depuis les années 1926, je crois. Quand vous, quand vous, même si nous, on n'a pas les mêmes modes de vie que, les Européens, on ne fait pas de ravitaillement, je pense que ça ne va pas beaucoup impacter sur, sur nous que, que sur les Européens ou les Américains. Par exemple, juste, eh, regardez, on dit les, les, 100 fortunes, les premières fortunes du monde ont perdu 435 milliards d'euros en, deux jours. Vous voyez ce que ça fait. Je pense que en termes économiques, c'est beaucoup de choses que, que les gens vont perdre. On espère que ça finisse rapidement cette euh, pandémie. Voilà, nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Merci à nos invités Hassan Boukar de la radio alternative et Rufai Dandoua, journaliste freelance. Merci aussi à tous les auditeurs du studio Kalangou pour votre fidélité. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre le programme Jeune euh, du studio Kalangou sur euh, nos radios partenaires. Il sera suivi du forum à Hausa et en Zarma. Merci aussi à la technique assurée par Saini Issa et côté vidéo Adama Dawai.